Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro. Moussa Maman de la radio Nomade FM Agadez, une radio partenaire du studio Kalangou. Le forum s'est rappelé et diffusé sur l'ensemble des huit régions du Niger grâce à un réseau de 47 radios et six télévisions partenaires. Agadez, vous écoutez ce forum sur les zones des radios nomades FM et Sahara FM. Le forum d'aujourd'hui a pour thème enjeux sociaux, économiques et intégration des migrants en transit au Niger, cas de la région d'Agadez limité à l'est par la Libye, à l'ouest par la région d'Etawa, au sud par les régions des Zinder et d'Ifa et au nord par l'Algérie, la région d'Agadez et la plus vaste région du Niger avec une superficie de 667 799 km. Carrefour des migrations africaines vers le Maghreb et qui capte une large majorité des flux en provenance du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, y compris depuis le Nigeria et les Ghana anglophone, la région d'Agadez est devenue une plaque tournante pour les jeunes Africains désirant traverser la mer pour l'Occident. Ces rêves qui est devenue une réalité chez certains est une leurre. Chez d'autres, va connaître un grand changement avec le vote de la loi en 2015 par les autorités nigériennes interdisant le trafic illicite des migrants. Cette loi dit que toute personne permettant à un migrant d'entrer illégalement sur les territoires nigériens ou d'en sortir en échange d'un avantage financier ou matériel encourt une peine de 5 à 10 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 5 millions de francs CFA. C'est fait et événements ont beaucoup joué sur la vie de ces migrants qui ont d'énormes difficultés de concrétiser leurs rêves, mais surtout ont du mal à s'intégrer malgré la qualification de certains et l'apport économique d'autres. Que faire pour faire face à cette situation Catholique Relief Service CRS à travers son projet Programme d'appui à la protection des migrants sur les routes migratoires au Sahel, Promissa n'a pas croisé les bras. Dans ce cadre, CRS, en collaboration avec Studio Kalangu, organise ce forum qui a pour thème enjeux socio-économiques et intégration des migrants en transit au Niger, particulièrement dans la région d'Agadez. Quelles sont les difficultés que rencontrent les migrants en transit à Agadez Quelles sont les opportunités d'emploi que les migrants peuvent avoir dans la région d'Agadez Qu'est-ce que la loi prévoit dans le cadre de la libre circulation des personnes migrantes Quelles sont les dispositions prises par l'État nigérien pour faciliter la libre circulation des migrants africains Quel rôle jouent les acteurs de la société civile pour la défense des droits et devoirs des migrants Pour en débattre, nous avons invité Madame Inchirouak Mariama, représentante de l'Observatoire des droits des migrants alternatifs espace citoyens. Bonsoir Madame Inchouak. Bonsoir. Monsieur Moussa Bachir Saleh, chef d'antenne de la Commission nationale des droits humains, antenne d'Agadez. Bonsoir, monsieur Moussa Bachir. Bonsoir. Monsieur Swap, Mathieu Simplice, il est migrant, il est de nationalité camerounaise. Bonsoir, monsieur Mathieu. Bonsoir, monsieur. Et enfin, Touré Mariama, migrante, elle est de nationalité ivoirienne. Touré Mariama, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Pour commencer, Monsieur Swap Mathieu Simplice, depuis quand êtes-vous arrivé à Gadez Ça fait déjà cinq mois de cela que j'ai décidé m'installer définitivement. Parlez-nous de votre parcours de migrant. J'ai commencé déjà par le Cameroun. Là, je n'avais pas trop de soucis. Mon seul souci, c'était sortir et avoir une vue meilleure. Je suis passé par Alit pour, pour l'Algérie. J'en ai fait plus d'une dizaine d'années. Et j'ai été refoulé ici à Agadez euh, avec ma famille. Bon, je suis arrivé là. Bon, bref, j'ai d'abord eu trop de difficultés au niveau de l'Algérie. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées j'étais, j'avais demandé euh, l'asile. J'étais euh, prise en charge par l'ACA. E. J'ai tous les documents sur moi. Bon, avec ces documents, ma femme et moi, nous avons fait un truc comme euh, un an et plus avec ces documents dans la poche. Le jour qu'on m'a arrêté, j'ai partais au travail. Ils m'ont enlevé dans la voiture. J'ai présenté les documents. <laughs> C'est là où mon vrai film a commencé. Ils ont pris mon document. Ils m'ont dit ils n'ont rien à foutre avec ces documents. Et ils nous ont amenés, dans un, endroit. Nous étions tellement nombreux. Tout ce qu'on avait comme agent sous nous, téléphone et tout et tout, ils en ont confisqué. Et par rapport à ces documents, quand je faisais la tête, ils m'ont tellement tabassé, ils m'ont cassé deux côtes. J'ai vu avec deux côtes cassées. Depuis que je suis arrivé à Agadez. Qui vous a cassé les côtes Les gendarmes algériens. Ils m'ont pistiné, ils m'ont massacré, franchement. Je suis à l'hôpital tous les jours, à la Croix-Rouge. Ici à Agadez, ils m'amènent à l'hôpital constamment pour qu'on contrôle mes côtes, pour voir à quel niveau. Donc j'ai vu avec deux côtes cassées. Bon, vu ma position familiale, j'ai décidé de ne pas retourner au pays parce que je suis l'aîné d'une famille, une famille qui souffre tellement. J'ai décidé de rester là. Et comme j'ai fait dans le génie civil, je suis technicien en génie civil, j'ai décidé de faire ma vie ici avec ma petite famille. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Parlez-nous de votre famille. Vous avez, euh, vous êtes marié Je suis marié. J'ai une femme avec un fils ici. Alors, comment arrivez-vous à intégrer la vie socio-économique de la ville Au départ, ce n'était pas facile, mais j'ai tellement euh, bagarré euh, à l'époque, quand je suis arrivé à l'OEM, j'ai marché à pied de l'OEM jusqu'à la, tribune là, pour chercher du travail à pied. Quand je me présentais dans des chantiers, j'ai donné un peu mon CV. On me dit, tu sors de d'où, tu de quelle nationalité Quand il dit, je suis camerounais, on me dit, Gogwari. C'est comme ça qu'on prend mon numéro. On ne me donne jamais du travail. J'ai tellement forcé, forcé. Un jour, je suis arrivé vers la zone carrée. Je suis tombé sur un autre étranger, un monsieur, c'est un Paul, un Gambien. Je suis allé là-bas, j'ai dû expliquer mon problème. À ce moment, ma femme était encore en Algérie quand on m'a refoulé. Ma femme était encore en Algérie, j'ai dû expliquer mes problèmes et tout et tout. Il m'a dit, est-ce que tu sais, tu es sûr de travailler, tu es sûr de pouvoir travailler. Je lui ai un peu présenté mon savoir et tout et tout. Ce jour, il m'a donné 10 000 francs de manger et le matin de prendre le cabou kabou et revenir au travail. Quand je suis venu, il m'a donné une tâche. En tant que, il y avait des raccordements. Il m'a dit, est-ce que tu peux faire des raccordements? J'ai dit, quand même, si c'est le manœuvrage, il obligé de faire pour pouvoir euh, manger. Il m'a donné des raccordements à faire. Au moment de faire mes raccordements, c'est là où le grand patron est venu. Il m'a vu dans mes œufs, premier jour, deuxième jour. C'est comme ça que ma vie est partie. Aujourd'hui, je gagne des contrats un peu de partout. Bon, j'ai décidé de m'installer parce que, à mon niveau, je me débrouille, je m'en sors. Merci beaucoup pour ce témoignage, euh, Monsieur Sop, Mathieu Simplice. Touré Mariama, vous êtes euh, migrante de nationalité ivoirienne. Alors, euh, Touré, vous pouvez nous parler un peu de votre. depuis quand vous êtes arrivé à Gadez, vous Maintenant, je suis dans quatre mois. Vous êtes à Gadez Oui. Alors, parlez-nous de votre parcours des migrants. Bon, comment je suis quittée au pays J'avais une fille et chez nous, on concile les filles. Et je ne voulais pas qu'on fasse ma fille. J'ai en profité. De là, moi même je voulais aussi aller derrière l'eau. Comme on dit dans notre thème ivoirien. En Europe En Europe. Voilà. Et c'est comme ça que je passais de, du Mali. Et de Mali, je suis venu vers Gao. Et de Gao, je suis rentré vers et vers Burkina, sorti vers, comment on appelle ça, tellement loin de la Berry. Donc j'ai fait au moins quelques temps. Parce que je n'avais pas d'argent, j'étais obligée de travailler un peu, gagner et puis continuer le, chemin. Je suis restée à Niamey, j'ai vu que Niamey là, j'ai demandé, ils m'ont dit c'est Agadez, de on passe pour partir euh, en Libye. Donc, je voulais aller en Italie, au fait. Donc c'est comme ça, je suis arrivée. Avant même de rentrer, de Niamey, c'était bon. Rentrer maintenant de d'Osso et retrouver à Gades, ah, c'était pas facile. Hein. C'est quoi, c'est pas facile C'est pas. Vous avez rencontré des difficultés ah, ils m'ont refoulé deux fois. J'ai été refoulé deux fois. Je suis arrivée. Qui vous a refoulé La police. Après. Et pourquoi elle vous a refoulé Ils disent que je suis, je suis étranger, que je n'ai pas de papier. Effectivement, je n'avais pas de papier. Ils m'ont demandé si je vais, je vais euh, en Europe. Parce que je parle, je n'ai personne euh, à, Gadez. Qu'est-ce que je pas chercher là-bas et je ne les ai pas cachés. Moi, je les ai dit que je vais aller là-bas me chercher. Ils m'ont dit que non. Qu'ils ne peuvent pas me laisser passer. Donc, on nous a gardés à la gendarmerie. Et on, a, on a fait au moins une demi-journée là. C'est-à-dire, on nous a pris, c'est le lendemain qui nous est reporté encore. On est parti encore à Niamey. De Niamey encore, ils nous ont pris vous <laughs> voyez les gens là Ils ont dit que d'accord, si c'est comme ça, restez ici. Donc il y avait une ONG qui nous a nous est pris. Donc on est resté dans l'ONG là. J'ai oublié le, nom. Mais on est resté là-bas. Après, on mangeait, on nous donnait à manger et tout et Comme moi, j'insistais toujours à aller devant. Donc j'avais toujours mon idée d'aller en Europe. Donc je suis revenu encore deuxième fois. Deuxième fois, j'ai passé de Tawa. C'est tabac maintenant, il y a la gendarmerie là. Ils m'ont bloqué. Ils m'ont dit de donner l'argent. Je leur ai dit que je suis là, je n'ai rien. Ils m'ont dit de donner 25 000 pour qu'ils me laissent passer. Je leur ai dit que je n'ai rien. Je n'ai que seulement que 2 000. Si vous me laisser, je veux passer. Ils m'ont laissé là, le car est parti, le bus est parti, mais laisser. Donc je suis là, je suis resté, resté, resté. C'est un d'entre eux qui est venu causer avec moi et jusqu'à à ce qu'on me laisse encore prendre une autre bus et puis rejoindre maintenant Agadez. Avant que je rentre aussi à Agadez, il y a un dernier barrage qui est là. C'est là maintenant, je n'avais rien sauf mon téléphone. Je leur ai dit que je n'ai rien, mais je pars à Agadez. Ils m'ont dit non, que c'est fou, que je pars en Italie, de, la, de Libye et Italie. Ils ont bloqué mon téléphone. J'étais toujours avec ma fille. C'est comme ça, ils m'ont dit, bon, vas-y, vas-y, monte, monte. Mais le téléphone est resté. Ils m'ont pas remis le téléphone. Tu es venu à Agadez Je suis venu à Agadez. Et euh, Agadez, comment arrivez-vous à intégrer la vie socio-économique de la ville En tout cas, c'est un peu dur au début parce que quand je suis arrivé, présentement, je vis dans un ghetto. Je viens travailler chez une bonne dame au maquis. C'est en fonction de ça, un peu, un peu. Quand je finis 19h, de la dame que ah, je n'ai pas un chien, je loge quelque part, donc je ne peux pas rester jusqu'à à ISE. Donc, elle comprend. Comme aussi, c'est une étrangère comme moi. Bon, elle essaie de m'aider. Puis bon, je, je rentre dans un. Comment on appelle ça Ghetto. Et la vie avec la population Ah <laughs> Bon, en tout cas, avec des gens là, il faut toujours. faut t'habituer. Au début, c'est dur. Mais c'est dur comment C'est dur. Bon, par exemple, au début, on ne savait pas qu'on porte pantalon. Souvent, c'est les enfants là même qui vous lapident même avec les cailloux. Et les grands sont assis là, ils ne parlent pas. Moi, ils m'ont fait ça plus de deux, trois fois, mais quatre fois, j'ai frappé le petit. Et c'est là, le grand s'élève, il veut venir se plaindre. Je lui ai dit, mais tu as vu qu'il faisait, mais tu t'es pas plaint. C'est parce que j'ai tapé maintenant que tu viens. Il dit, aïe, kachuwachi, wanga bogoriane. Oh. <laughs> Il a dit, oui, je suis étranger, c'est normal. C'est que je suis étranger. Ils vont, ils vont te insulter. Maintenant, si tu as la patience, tu vas passer. Tu, si tu veux continuer, ils vont te faire du mal. Donc, euh, c'est comme ça, je passe. Quand je viens aussi à la boutique, on dit Bogoria. Je dis oui, je veux ça. Donc maintenant, quand j'ai commencé à m'adapter à pour eux, je ne porte, quand je porte le pantalon, je mets un jab. Ils me dit, ah, ah Bogoria. Il dit, ah, ah, Donc c'est bon. C'est comme ça on a progressé. J'ai vu que quand j'ai porté les jab, j'ai eu au moins une signification. Donc là, là, depuis ce moment, en tout cas, tout c'est bon. Tout c'est bon. Merci beaucoup, Madame euh, Touré Mariama. Je rappelle, vous êtes de nationalité ivoirienne. Moussa Bachir Saleh, chef d'antenne euh, du CNDH, la Commission nationale des droits humains, antenne d'Agadez. Quels sont les droits et devoirs d'un migrant euh, Merci, M. Monsieur Moussa Maman. Tout d'abord, je remercie sincèrement et catholique euh, Relief Service, et euh, CRS, d'avoir créé ces cadres d'échange qui s'inscrit aussi euh, dans notre mission de promotion et de protection des droits humains. Je remercie aussi la radio Nomade FM Antenne d'Agadez et le studio Kalangu d'avoir facilité ces cadres d'échange. Donc, pour revenir à votre question, je vais d'abord définir la notion de droit de l'homme. Donc, euh, le droit de l'homme, ce sont des prérogatives euh, qui sont reconnues au sujet des droits, qui sont garanties par les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux. Donc, euh, en parlant de migrant, le migrant est un être humain. Donc, ça veut dire qu'il doit bénéficier de tous ses droits fondamentaux, des droits de l'homme. Donc, nous avons les instruments juridiques nationaux, ça veut dire au Niger, nous avons l'article 8 de la Constitution du Niger à son article, à son alinéa 2, donc qui dispose et, et la République euh, du Niger étant un État de droit, elle assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. Donc euh, ici, nous avons, conformément à l'article 8 de la Constitution du Niger, on rapporte que tous les êtres humains ont les mêmes droits. Ça veut dire qu'on soit migrant ou non migrant, ça veut dire nationaux. Il n'y a pas de problème. On a les mêmes droits. Donc nous avons aussi au niveau de l'article 42 alinéa 2 de la même Constitution, et les ressortissants des autres pays bénéficient sur le territoire de la République du Niger des mêmes droits et libertés que les ressortissants nigériens dans les conditions déterminées par la loi. C'est toujours pour dire ici aussi, les migrants bénéficient des mêmes droits que les nationaux au Niger. Si nous partons au niveau de la, des instruments juridiques régionaux, nous avons euh, au niveau de l'article 12 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui dit que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. Donc, au niveau de son alinéa toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique. Donc c'est pour dire que ici, aussi, vous voyez, au vu ici de la charte africaine de l'homme et du peuple, donc le migrant, ça veut dire étant un être humain, il peut quitter son pays quand il veut et revenir quand il le veut. Alors quels sont les principaux instruments juridiques de la libre circulation des biens dans la CDAO Donc euh, et là c'est la libre circulation des biens et des personnes. Nous avons le protocole de la CDAO, donc euh, à son article 2, qui dispose donc euh, de par ce protocole, les citoyens de la communauté ont le droit d'entrée, de réaliser et de s'établir sur le territoire des États membres. Le droit d'entrée, de résidence et d'établissement mentionné sera établi progressivement au cours d'une période maximum de 15 ans à compter de l'entrée en vigueur définitive du présent protocole par l'abolition de tous les obstacles à la libre circulation des personnes et aux droits de résidence et d'établissement. Donc c'est pour dire que ça veut dire euh, ce protocole, il permet la libre circulation des personnes et des biens. Donc il permet des échanges entre les ressortissants des pays membres donc de l'espace CEDEAO. Ça veut dire les personnes peuvent entrer librement sans aucun visa. Sur présentation d'une simple carte d'identité, on peut directement rentrer dans un État membre de la CDAO. Alors, quels sont les principaux avantages reconnus aux citoyens de la CDAO Les avantages, euh, c'est le fait de ne pas rentrer obligatoirement par un visa. Ça veut dire que vous pouvez rentrer sur présentation de votre simple carte d'identité ou un passeport quelconque et vous pouvez vous y établir, vous pouvez rester sur le territoire de l'État membre, soit pour une activité ou non. On vous reconnaît ce droit de s'établir. Donc, euh, et aussi, euh, la libre circulation des personnes et des biens nous parle ici de l'intégration ici sociale, parce qu'il y a échange de produits et on peut circuler librement entre les États. Ça veut dire on facilite ici l'intégration sociale entre les ressortissants de ces différents États membres. Donc voilà les différents avantages. Alors, M. Moussa, quel est euh, le processus que l'État a mis en place pour intégrer les migrants L'État, elle accueille tout le monde, même si on est étranger. Et maintenant, quand vous êtes sur le territoire, vous avez les possibilités d'accéder donc aux emplois. C'est votre droit le plus absolu parce que, en vertu de la loi 2012 portant code de travail au Niger, vous avez à son article 25, donc euh, l'État accorde le droit à un étranger donc euh, d'obtenir un emploi sur le territoire sans qu'il ne soit inquiété. Donc euh, vraiment au Niger et le Nigérien et les, les étrangers ont les mêmes droits sur le plan droit de travail. Ils subissent le même traitement. Merci. Aucune discrimination. Merci, M. Moussa. Madame Inchirak Mariama, Observatoire des droits des migrants. Vous êtes à Alternative Espace Citoyen. Alors, euh, vous avez écouté les témoignages des migrants. Quel constat faites-vous dans leur version Merci beaucoup de me permettre aujourd'hui de m'exprimer sur ces plateaux très intéressants. Oui, j'ai écouté les migrants et ça m'a beaucoup touchée. Je suis une femme qui a un petit cœur. Quand j'ai entendu Mathieu dire qu'il vit avec deux, deux, deux côtes cassées, ça m'a fait chaud au cœur. Mariam, quand on l'a dit, rejette, personne ne dit rien. Ça fait mal. Quand on dit tu es étranger, alors que tu es avec des gens qui te ressemblent de peau, ça fait très mal. On est juste sur la terre africaine et nous sommes dans notre case. Et quand, juste parce qu'on n'est pas du même pays, on dit on est étranger, c'est c'est ça, ça froisse. Mais qu'est-ce que tu veux C'est comme ça, c'est pas tout le monde qui comprend que la famille, en fait, ce n'est pas simplement la père et le maire, la père et le maire biologique, mais c'est tout un ensemble. Il y a la famille, la religion, il y a la famille de la couleur, il y a la famille, c'est un large sentier. Et il faut que les gens comprennent ça pour qu'on se sent un peu désenclavé. Donc, de, ceux ce qui, ont dit là, j'ai quitté le Cameroun juste pour améliorer mes conditions de vie, quoi de plus normal. J'ai quitté la Côte d'Ivoire avec ma fille. Tout, ce qu'elle a décrit là, elle tenait une petite fille, je ne sais pas, elle a combien d'années, dans cette poussière, dans tout ça là. Et autant même être circoncise, je ne sais pas. Toute cette souffrance, l'affliger à une fille, ça fait vraiment très mal. Parfois, nous-mêmes, on doit s'écouter. Est-ce que ça vaut la peine tout ça là Les déplacements, c'est un droit. C'est un dh de décrire ça. Même dans les règles, dans les codes qui régissent nos vies, Dieu nous a permis de nous déplacer. Et il dit quoi Il impose à ceux qui nous reçoivent de bien nous recevoir c'est des versets. Dans tous les livres que vous allez regarder, que ce soit la Bible, le Coran, en tout cas, Dieu l'a dit et lui, il sait et c'est pourquoi il a dit il faut vous occuper des étrangers. Il a même réduit les prières, il a réduit beaucoup de choses parce qu'il sait qu'ils vont faire face à des problèmes. Donc, ces gens qui se sont inscrits dans cette dynamique savent qu'ils doivent affronter des choses et nous qui les recevons, nous devons savoir qu'on doit les accueillir. Et si ce n'est pas nos enfants, nos enfants sont ailleurs et ils ont besoin du même traitement. Euh, Selon moi, les migrants ont besoin de la protection. Et d'ailleurs, c'est pourquoi notre structure que tu vois, c'est une jeune structure qui est en train de s'installer à Agadez. L'ODM de l'AEC, il y a plusieurs approches. Mais nous, on est dans l'approche droit de l'homme. Droit de l'homme, c'est un DHAD que les gens ont le droit d'aller et venir. Quelqu'un disait, on n'a pas de papiers, Les sans-papiers, il disait, c'est ceux qui ont le plus de papiers, mais ils aspirent. Et parfois, les munitions, les moyens finissent en cours de chemin. Parfois, beaucoup de choses interviennent, d'où les grands besoins de la protection. Et c'est ça, nous sommes en train de d'évoluer dans ce sens de la protection. Alors, quel rôle joue la société civile pour la défense de leurs droits, les droits de migrants C'est ce que je suis en train d'expliquer. La société civile, elle est en train. Vous voyez même cet espace-là. Ça fait partie des choses qui font prendre conscience aux gens qu'attention à un problème, il faut que les gens, les gens le comprennent. Maintenant, on a entendu tout ce que la déclaration a dit, ceci a dit. Mais c'est que ce qui n'est pas bien compris, en fait, ce sont les autochtones qui accueillent les migrants. Et ils ne connaissent pas ces dispositifs. Tous ces articles qui régissent la vie, ils ne connaissent pas ça. Donc, on a un grand travail à faire, c'est de la sensibilisation. Sensibiliser ces gens qui sont là chargés d'accueillir ces migrants, ces gens qui sont là pour donner de l'emploi aux migrants, ces gens qui sont là pour compatir par rapport à, la situation qui vit les migrants. Mais ils ne savent pas. Donc, vous voyez déjà un grand fossé. Le fait qu'il y ait une panoplie de lois et le fait qu'il y ait une grande communauté, une, une grande population qui ne sait pas. Donc la société civile, là, son rôle serait vraiment d'aller vers la sensibilisation avec les autres acteurs pour que la grande communauté qui reçoit comprenne, afin que les gens puissent s'intégrer. je euh, pense que c'est un travail détail à faire par rapport à cela. Selon vous, euh, quelles sont les opportunités d'emploi que les migrants peuvent avoir au Niger, particulièrement ici à Agadez Avant que la migration devienne ce qu'elle est devenue actuellement, je t'avais dit, les migrants passaient par, par, par Agadez, parce que c'était un carrefour. Mhm. Moi, dans ma famille, on avait toute une diversité de nationalités. On n'a pas besoin de connaître leur famille. On forme déjà une famille. Ils travaillent, ils vendent du café, ils font tous les emplois. Ils font tous les emplois. Ils essaient d'économiser et continuer. Avant, ça n'avait aucun impact. Oui, oui. Ils revenaient chaque année quand ils sont vivants. Ils faisaient même des envois quand Dieu leur offre d'autres grâces. Ils, ils font même de, des grands cadeaux. Ils envoient les gens qui les ont accueillis. C'est comme ça qu'on vivait jusqu'à dernier moment, où les choses sont devenues ce qu'elles sont, où il y a eu beaucoup de criminalisation, j'ai dit, autour de la question des migrations. Oui, le vrai débat, c'est quoi Pourquoi tant de criminalisation autour de la migration Il faut voir les statistiques. On dit la semaine dernière, on était en formation avec Oxfam. La 7 milliards de la population qui compose les mêmes, le monde, on n'a que 3% des migrants. Tout ce qu'on fait là, c'est 3%. Donc, pour bien comprendre les choses, il faut aller dans les, les statistiques et voir c'est quoi les vrais problèmes. Et dans les vrais problèmes, c'est là on va trouver des bonnes solutions. Donc la société civile a ses devoirs de chercher en fait c'est quoi les vrais problèmes et aller dans l'essence et c'est pourquoi il y a plusieurs approches. Ceux qui sont en train de de ne pas faire, ceux qui sont en train de défendre les droits par rapport à la migration, les gens peuvent aller et ceux qui soutiennent parce que dans ton désir d'aller, tu peux être à court des ressources. On a écouté Mariam, on a écouté Mathieu. Les gens étaient à court des ressources, ils étaient obligés de chercher. Et tu vois, la persévérance de Mathieu lui a donné une opportunité. Quand on vise un objectif, personne ne peut nous empêcher d'aller à l'avant. C'est ça. On peut avoir d'opportunités. Les, opportunités sont là, il faut les chercher. Il faut prouver aux gens qu'on peut faire confiance en vous. Et quelles sont ces, ces opportunités-là Les opportunités sur le travail les travail à Gadez, tu vois la restauration, tu es dans la restauration. Moi, je sais que, les, comment on appelle ça, les travail de maçonnerie, de, comment tu dis ça. Tout ça, ce sont les étrangers qui font. Les gens partent d'ici, ils vont, ils recrutent des gens, mais là, c'est des travailleurs migrants, non C'est eux qui font les beaux étages là, comme si on est au paradis dans les hôtels, dans les, garages, dans tout. Et maintenant, les gens les marient. Moi, je trouve un très beau métissage. C'est une hein. opportunité. Mais peut-être c'est qu'il reste, il y a certainement des ingénieurs agronomes et nous ici c'est une terre d'agriculture. Alors quel est l'enjeu socio-économique de l'intégration des migrants en transit au Niger, particulièrement à Agadez L'enjeu socio-économique, je te dit l'enjeu, l'enjeu c'est quand les gens refusent et quand les gens persévèrent, on reste et les gens travaillent. C'est ça. Il faut qu'on ouvre une opportunité à ces gens-là pour qu'ils puissent travailler. Ça, ils se débrouillent maintenant. S'il y a les structures qui ont la capacité de les loger, de leur donner un asile, il faut qu'ils aient le courage de leur donner un emploi. Merci, madame. Alors, euh, euh, monsieur euh, Sop Mathieu Simplice, on revient vers vous. Comment, comment se passe votre cohabitation avec la population haute Moi, je n'ai pas de soucis à mon niveau je m'en sors, j'essaie de tout faire pour pouvoir collaborer avec les natifs. moi, on n'a pas de problème. Mais euh, j'ai souvent des problèmes lors de mes déplacements dans mes différents chantiers que je gagne. Par exemple, j'ai un chantier, une école à construire à, Balama. J'ai une autre école à, à Dabisanet. Mais j'ai problème de déplacement au niveau de la police. Parce qu'à chaque fois, il me faut. Je suis toujours en train, si je n'ai pas de l'argent, on doit me sortir. Si je... Vous voyez, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai demandé l'asile. Avec toute ma famille, ma femme et mon fils, on a demandé l'asile. Ils m'ont donné un document provisoire. J'ai ce document dans la poche. Ils ont pris des photos et tout et tout. Mais depuis, on attend rien. Et sans l'asile, je n'ai plus rien. Quand je m'en vais même au commissariat pour avoir un laissez-passer, pour aller travailler, on me dit ce n'est pas à leur niveau. C'est au niveau de la ZEC. les gens qui m'ont donné, euh, les gens à qui j'ai demandé l'asile. Vous voyez, tout est compliqué pour moi. Le dossier n'avance pas et je ne peux rien faire. Alors, quelles sont vos propositions pour euh, votre intégration socio-économique je demande au gouvernement de tout faire pour améliorer nos conditions de vie de mes frères et sœurs qui sont des passages ceux qui ont décidé de s'intégrer, ceux qui décidaient de retourner, qu'on les fasse retourner sans problème et qu'on ne les oblige en rien. Parce que celui qui a déjà traversé peut-être pour l'Algérie, quelqu'un comme moi, je connais le phénomène, je connais le système. Si moi j'ai décidé aujourd'hui de m'installer, qu'on me fasse confiance et on me donne mes droits et tout, et tout, je, je suis venu travailler et chercher ma vie. Parce que s'il faille qu'on m'empêche, il y a beaucoup de, moyens pour pouvoir traverser. Beaucoup de moyens. Parce que je connais comment ça se passe, mais j'ai décidé de m'installer pour gagner ma vie. Donnez-nous cette occasion de pouvoir réussir. Parce que partout, on peut gagner sa vie. Si je gagne ma vie, d'autres gens peuvent gagner leur vie ici. Donnez-leur l'opportunité. Alors, quel est votre dernier message à l'intention des autorités nigériennes en tant que en transit au Niger Vous avez un message à l'intention des autorités du Niger <sighs> Aux autorités, tout ce que je leur demande, c'est nous faciliter la tâche. Faciliter la tâche, c'est tout. Merci. Madame Touré, Mariama, quelles sont vos propositions pour votre intégration socio-économique Ici, au Niger mm-hmm. Bon, pas beaucoup de choses, seulement qu'on demande seulement aux autorités de nous aider. Parce que on va aussi eh, en Libye, ça ne va pas. Moi, ça fait plus de deux ou trois fois été refoulé. De vous aider comment tu demandes aux autorités Qu'est-ce que vous voulez concrètement Bon, souvent, quand on te prend la nuit, on t'envoie la police, on te dit de payer 12 000 parce que tu n'as pas les pièces. tu n'as pas payé, tu peux faire deux à trois, quatre, cinq jours. Quand ils veulent, elles savent que tu n'as pas réellement les, financièrement à payer. Tu peux même taper au moins 4 à 5 jours avant qu'on te laisse. Maintenant, quand on te laisse, tu retournes maintenant dans le ghetto. Donc, moi, ce que je demande, c'est pour juste nous aider, pour qu'au moins... Parce qu'ici ici aussi, c'est l'Afrique. On est chez nous. On est des Noirs, donc c'est normal. il faut qu'ils nous aident à nous faciliter à s'intégrer au Niger. Vous avez un message pour les autorités nigériennes Oui. C'est quoi votre message Mon message, c'est que on les demande de nous aider, de mieux faire pour nous, pour qu'on puisse au moins se retrouver chez nous. Parce que aussi ici, c'est chez nous. Merci. Moussa euh, Bachir Saleh, chef d'antenne CNDH Agadez, quelles sont les opportunités d'emploi que les migrants peuvent avoir au Niger, particulièrement ici à Agadez Merci. Euh, euh, mais j'aimerais avant, s'il vous plaît, de répondre à cette question, si possible, de répondre à mes frères pour dire un mot. Oui. Par rapport à ce que, Donc, euh, nous avons parlé du protocole de la CDA. De la oui. Donc, euh, un protocole qui facilite la libre circulation des biens et des personnes. Mhm. Et que vous avez entendu nos deux frères, ce qu'ils sont en train de nous dire. Normalement, ils ne devons pas être inquiétés dans l'espace CDAO, parce que leur pays appartient donc à cet espace. Normalement, sur présentation d'une simple carte d'identité ne doit pas être inquiétée. Mais voilà, aujourd'hui, vous entendez ce qu'ils disent. Alors, quels sont vos constats par rapport à ce qu'ils ont dit C'est ça, relativement à ça, maintenant, nous, c'est les espoirs. Donc, euh, suscités par le protocole, ont été dessus sur le terrain par euh, le hiatus entre l'adoption des textes et leur application. Donc, euh, lorsqu'ils sont en déplacement, les ressortissants, mais aussi les non-ressortissants de la CDAO, ne sont guère protégés contre les violations de leurs droits fondamentaux. Sur les routes, la libre circulation des personnes et des biens est loin d'être une réalité. Les passages des frontières est soumis à des prélèvements illicites, à des pratiques discriminatoires et à des violences ou détentions arbitraires perpétrées par des agents de l'immigration zélés et des forces de sécurité ignorant le contenu des textes communautaires. Donc nous constatons que nos frères sont vraiment inquiétés, alors qu'ils ne devront pas être inquiétés sur présentation de leur simple carte d'identité. C'est ça même l'avantage. Tout à l'heure, vous m'avez demandé, je vous ai dit que l'avantage de ce protocole, c'est le fait que vous pouvez vraiment résider sans problème à l'intérieur d'un État si vous avez seulement votre carte d'identité. Maintenant, on revient à ma question. Euh, les opportunités d'emploi. Les, opportunités d'emploi. Donc, les migrants, mm et sont sur notre territoire, ils peuvent eux-mêmes vraiment euh, vendre leur main-d'œuvre. Ça veut dire que si ils sont compétents, s'ils sont, ont des talents, ils peuvent les faire donc, euh, vendre aux gens qui sont intéressés. Ça dépend maintenant. Les opportunités, il y en a, ça dépend de la motivation de la personne, de ses compétences et de montrer vraiment ce qu'il sait faire. C'est lui-même qui devrait attirer et ses opportunités vers lui. Parce que quand vous montrez ce que vous connaissez, euh, ce que vous connaissez faire, vous attirez l'emploi vers vous. Ça dépend. Si vous êtes un, un bon enseignant, ça veut dire que vous avez un bon niveau pour enseigner ou si vous, êtes, euh, si vous avez des compétences pour euh, la construction ou euh, la restauration, tout ça là, vous pouvez essayer d'attirer des opportunités vers vous. quel est l'enjeu socio-économique de l'intégration des migrants en transit au Niger, particulièrement à Agadez Ça dépend. La population haute du foie, elle-même, elle est réticente. Il faut qu'il y ait une sensibilisation pour amener ces gens à comprendre que ces jeunes-là qui viennent vers nous, c'est nos frères. Donc on doit les accepter comme nos frères. Et maintenant, eux, ils vont nous donner ce dont nous, nous n'en avons pas. Parce qu'on n'a pas les mêmes cultures. On n'a pas aussi les mêmes modes de vie. Il se pourrait eux qu'à leur niveau, ils ont appris des choses que nous, nous ne connaissons pas. Et nous pouvons en profiter. C'est ça le brassage. Ils vont peut-être apprendre de nous et nous aussi, on va apprendre d'eux. Et ça, ça va nous permettre un euh, développement et donc voilà à tous les nouveaux. Merci et Monsieur Moussa, euh, quelles sont vos propositions pour l'intégration socio-économique euh, des migrants en transit à Gadez Oui, c'est la population haute doit les accueillir et donc pour leur permettre vraiment de les intégrer. Parce que si la population elle est réticente, elle ne peut pas permettre à l'autre de venir vers elle. Comme ils sont en train de nous expliquer des fois, même si il vient euh, chez un boutiquier, il y a une discrimination du fait qu'ils ne sont pas nigériens. Alors qu'on doit les considérer comme nos frères et nos sœurs. Mhm. Et tout, traitement doit être équitable, doit être fait de la même euh, façon. Donc là, on, peut les motiver eux-mêmes à vouloir euh, s'intégrer, eux-mêmes à venir vers nous. Donc il faut que nous-mêmes, vraiment, nous nous ouvrons vers eux et de les accepter comme nos frères et sœurs. C'est ça, on est des Africains. Alors, enfin, vous avez un message pour euh, dans, euh, le cadre de l'intégration des migrants en transit au Niger Oui, donc euh, ce que j'aimerais plus dire, c'est que nos autorités doivent eux-mêmes comprendre que les migrants qui sont avec nous, donc ils appartiennent deux fois donc, euh, aux États membres du protocole de la CDAO. Donc, ils doivent, eux aussi, appliquer à la lettre ce protocole. Parce que nous, ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que vous allez constater qu'ils sont inquiets. Et ça aussi, c'est un frein à leur niveau pour pouvoir s'intégrer. Donc, il y a cette réticence créée par nos autorités aussi à leur égard. Donc, euh, pour qu'il y ait vraiment cette intégration, il faut que tout le monde la population haute, les autorités, vraiment les accueillir à bras ouverts et leur montrer qu'ils sont chez eux. Ils sont chez eux, ils peuvent eux aussi amener ce qu'ils connaissent faire. Merci, Monsieur Moussa. Madame Intirok Bariama, quelles sont vos propositions pour euh, l'intégration des migrants en transit, euh, surtout socio-économique En tout cas, les propositions par rapport à l'intégration économique, la grande question, c'est l'intégration parce que nous avons des catégories d'immigrants. Il y a des gens qui veulent continuer, c'est de voir la possibilité de leur permettre de jouir de ces droits de déplacement, de ne pas les prendre en otage ici à Agadez. Donc s'ils continuent, s'ils décident de continuer, c'est de leur faciliter et eux d'avoir les papiers nécessaires pour continuer. Voilà. Deuxièmement, ceux qui décident comme Mathieu de s'installer définitivement à Agadez, c'est vraiment de leur faciliter la tâche pour qu'ils aient l'emploi. Et ça, un autre travail revient à, leur niveau de prouver qu'ils ont des compétences, de prouver à travers un bon comportement que les gens ont eu raison de les adopter. Donc c'est dans le deux sens. Hein. La vie, c'est comme ça. Toute cette planète a tourné un jour. Et elle continue d'ailleurs à tourner. Donc pour moi, l'intégration, c'est ça. C'est qui décide de demander un asile ici, qui décide de rester ici, c'est de voir quelles sont les possibilités de travail qui existent dans cette région et offrir à ces gens ce travail-là. Et que eux doivent se faire ce travail-là avec, avec un cœur vaillant. Voilà. Et nous savons que cette région d'Agadez, c'est une c'est une région économique où il y, a, plusieurs activités, notamment agricoles. Notamment agricoles, nous avons beaucoup d'espaces non exploités. Peut-être parmi ces gens, il y a des gens qui ont des talents dans la production agricole. Pourquoi ne pas profiter de cela On a tellement de choses à offrir. Il faut qu'on s'assied ensemble qu'on s'assied ensemble et qu'on décide de quelque chose qui va faire avancer. La migration, depuis son histoire, a été simplement bénéfique. Elle n'a jamais été un crime pour quelque chose. Elle a toujours apporté un plus au développement. Que ce soit en Afrique ou en Europe, personne ne dira qui a construit le monument. Ce sont qui a contribué pour gagner la Deuxième Guerre mondiale Quelque part où les gens ne veulent pas qu'on vienne, c'est bien nous. Qui a construit la mosquée d'Agadez, c'est bien nous. Qui continue à bouger, c'est bien nous. Qui sommes-nous Nous sommes des descendants des migrants. Nos parents sont des migrants. Voilà, l'intégration, elle est claire. Mais maintenant, des, des problèmes qui peuvent surgir, c'est que toujours tout n'est pas positif. Tout le monde n'est pas positif et ce n'est pas à cause d'une personne ou deux personnes ou même un groupe de personnes qui ont un mauvais comportement qu'on va, qu'on va assembler tout le monde et les taper par un même bâton. Donc c'est comme ça. Il faut connaître cette clarification, il faut connaître, cette, connaître ce courage d'intégrer afin que nous soyons plus forts. Donc c'est comme ça. Il y a une nouvelle vision. Il faut qu'on ait de nouveaux éléments. Il faut qu'on ait de nouvelles idées. L'intégration est là. Il faut des nouvelles idées pour qu'il y ait cette intégration et pour qu'elle soit plus bénéfique. Madame, enfin, quel est votre message dans le cadre de l'intégration des migrants en transit au Niger Le message, c'est bien, c'est là. Le message, l'intégration, c'est ça même l'objectif. Si les gens ont le courage de venir chez nous, il faut qu'on ait le courage de les, garder. Et pour les garder, il faut leur offrir un travail. Ça ne sert à rien de mettre quelqu'un dans une maison et les nourrir et rester les bras croisés. C'est de l'oisiveté et l'oisiveté, ça crée de l'énervement. Il faut donner du travail aux gens pour qu'on reste tranquille. Voilà. Et les gens qui veulent aller, il faut qu'ils remplissent les critères et que nous, qu'on diminue ces tracasseries routières afin de le laisser partir dans leurs rêves. C'est un rêve et tout le monde a le droit de rêver. Merci beaucoup. Alors nous arrivons à la fin de ce forum de ce soir sur euh, le thème enjeux socio-économique et intégration des migrants en transit au Niger, cas de la région d'Agadez. Ce qu'on peut retenir euh, les uns et les autres ont fait des propositions. Les autorités nigériennes doivent faciliter euh, la tâche aux migrants pour l'intégration socio-économique, surtout les migrants en transit à Agadez. Voilà. Merci à toutes et à tous. Nous étions en compagnie de Madame Intiroak Mariama, représentante de l'Observatoire des droits de migrants Alternative Espace Citoyen. Merci Madame Intiroak. Merci, merci. Euh, monsieur Moussa Bachir Saleh, chef d'antenne CNDH euh, Agadez. Merci, Monsieur Moussa. Merci. Alors, M. Euh, monsieur Swap, Mathieu Simplice, migrant de nationalité camerounaise. Monsieur Swap, merci beaucoup. Merci, monsieur. Touré Mariama, migrante de nationalité ivoirienne. Touré, merci. merci. aussi, monsieur. Alors, mesdames et messieurs, merci aussi aux catholiques Relief Service et au studio Kalangu. Portez-vous bien. Au revoir.